forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est d'abord le message à la nation mardi du président de la République Issoufou Mahamadou au sujet de la maladie du coronavirus COVID-19. En seconde position, nous parlons rang de la manifestation de la société civile dimanche 15 mars pour exiger du gouvernement un audit indépendant du ministère de la Défense nationale. L'actualité, c'est aussi la réunion de l'Union africaine qui propose d'envoyer 3000 soldats au Sahel. C'était au cours d'une rencontre tripartite ici à Niamey lundi. Pour analyser ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Garé Amadou du quotidien La Nation, Gare Amadou, bonsoir. Oui, bonsoir. Ousseini Issa Jibo, journaliste freelance, bonsoir. Oui. Alhaj Mohamedou Souleymane, directeur de la rédaction du journal en ligne Alaj Mohamedou Souleymane, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à tous euh, dans le forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par le message à la nation du président de la République Issoufou Mahamadou mardi dans le cadre de la prévention de l'épidémie de coronavirus euh, Covid-19 euh, qui sévit dans le monde. Dans ce message, le président a annoncé des mesures préventives même si aucun cas n'a été encore signalé au Niger. Un extrait du message à la nation d'Issoufou Fermeture des aéroports internationaux de Niamey et de Zender pour une durée de deux semaines renouvelable à compter du 19 mars 2020 à minuit, sauf pour les vols domestiques, cargo, sanitaire et militaire. Fermeture euh, de toutes les frontières terrestres pour une durée de deux semaines renouvelable à compter du 19 mars 2020 à minuit, excepté pour le transport des marchandises. Concertation entre le gouvernement et les leaders religieux, ou oulémas et prêtres, afin d'arrêter les mesures relatives à l'accès aux lieux de culte. Fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une durée de deux semaines renouvelable à compter du 20 mars 2020 à minuit. Fermeture des bars, des boîtes de nuit, des salles de cinéma et des lieux de spectacle à compter du 18 mars 2020 à minuit. Interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Respect d'une distance d'au moins un mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les restaurants, les entreprises, les zones aéroportuaires et les lieux publics. Gary Amadou, votre commentaire après avoir écouté le président de la République au sujet de cette terrible maladie. Oui, le message à la nation du président de la République vraiment euh, était, vraiment attendu par rapport à cette, à cette pandémie qui est en train de, de menacer pratiquement la planète. Il faut dire que cette maladie est déjà dans la sous-région. La plupart des pays limitrophes du Niger ont des cas avérés. Et vous savez, j'entends certains dire que ah non, on se précipite alors qu'il n'y a aucun cas au Niger. Non, euh, il n'y a aucun cas détecté. Mais le Niger est un pays qui entretient des relations avec les pays à travers les exodants qui vont, qui viennent. C'est-à-dire que il se peut qu'il y ait quelqu'un qui est malade dans un village, on ne sait pas que c'est ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que ces mesures que le gouvernement a prises, ce sont des mesures qui visent à freiner d'abord pour le moment, on n'a pas de cas avérés, Que parce que comment est-ce qu'on constate un cas Il faut que la personne soit hospitalisée d'abord. Dans les villages, vous voyez comment ça se passe. Un exodant qui revient, par exemple, du Burkina, n'est-ce pas Qui a chopé la maladie. Bon, c'est difficile de constater ça. Tant qu'il n'est pas parti dans un centre de soins. Peut-être qu'il est là-bas au village, malade, mais les gens ne savent pas. Est-ce que vous comprenez Et donc, cette mesure-là vise euh, deux choses. Puisque, a priori, on peut dire que le Niger n'est pas touché on n'a pas encore constaté un cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas. On n'a pas encore constaté des cas médicalement constatés. C'est ce que ça veut dire. Et donc, dans ce cas-là, il faut protéger le pays. Il faut fermer les aéroports, fermer les frontières. Bien que j'aurais voulu que la mesure soit applicable le lendemain déjà. Parce que le fait d'avoir fixé une date du 20 pour les aéroports, ça pouvait permettre à des gens peut-être qu'ils sont infectés. 48 heures après. Mais bien sûr de venir, parce qu'aujourd'hui, il y a des vols qui viennent. Il y, a, des vols qui, depuis que le président a fait des messages, il y a des vols qui venaient qui ne sont pas interdits, mais l'interdiction commence le 20 à partir de minuit. Et ça, je trouve que c'était un problème. Peut-être qu'il fallait, dès que le président prononce le discours, dire que demain à minuit, les vols sont interrompus, les, frontières fermées. Parce que, je vous dis, déjà, il y a un premier cas de décès au Burkina Faso. Même si là-bas aussi il y a des polémiques parce qu'on dit que la personne est diabétique, il se fait qu'elle est morte de diabète, il se fait que... Dans tous les cas, il y a un cas de mort et il y a des cas au Burkina, il y a des cas au Bénin, il y a des cas au Nigeria, etc. etc., etc. Je pense que ces mesures-là sont nécessaires. Il faut seulement compter sur euh, la discipline des citoyens comment amener les citoyens nigériens à respecter toutes ces mesures énumérées par le président de la République à travers son message à la nation Vous savez, je vais vous dire, je, vous, dire quelque chose de, très direct. Et, je suis pessimiste sur ce point. Vous savez pourquoi Nous sommes foncièrement têtus. Nous sommes indisciplinés. Nous, les Nigériens, je dis bien. Je ne m'écarte pas de, de, Nous sommes foncièrement indisciplinés. Vous voyez ce qui se passe en Chine. La Chine, aujourd'hui, hier, quand l'ambassadeur parlait, il parlait seulement de trois cas et vous savez pourquoi la Chine est en train de vaincre la lutte contre cette maladie-là Parce que les Chinois ont la discipline dans leur quotidien. Quand l'autorité dit, bon, ça, on ne fait pas ça, et ne faites pas ça pour qu'on puisse arrêter la maladie, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, les gens suivent. Mais regardez au Niger, le gouvernement s'est réuni, il a, il, a sorti un communiqué pour dire que eh, eh, les attroupements... Vous voyez ce qui s'est passé le lendemain Des irresponsables n'ont pas annuler leur manifestation et ils ont invité les gens. Non, mais c'est l'irresponsabilité. Vous savez, eh, eh, eh, je vais vous dire une chose. Quand le président a lu son message à la nation, les mêmes gens qui disent que non, non, non, il n'y a pas eu un arrêté ou un décret, les mêmes gens sont en train de suivre les consignes. Enfin, de vouloir suivre les consignes. Là, ils n'ont pas, là c'est le message à la nation. Mais, quand le conseil des ministres se réunit, ils seront communiqué on dit Ah, ce n'est qu'un communiqué. Ah bon Ce n'est qu'un communiqué, mais c'est grave. C'est pour vous dire qu'au Niger, la lutte contre cette maladie-là, elle sera très difficile parce que nous sommes extrêmement indisciplinés. La manifestation de la société civile du 15 l'a prouvé. C'est-à-dire les gens, ils n'en font qu'à leur tête. Et si on a des comportements comme ça, irresponsables, n'est-ce pas moi je, dirais suicidaires. Des comportements suicidaires comme ça, on ne pourra pas vaincre la maladie. Ce que les Chinois ont réussi à faire là, nous, on ne pourra pas le faire. Ce que les Sénégalais ont fait là, en décrétant que bon, pour les prières du vendredi, voilà, voilà, voilà, voilà. Ici, on ne pourra pas le faire. Parce qu'ici, on a deux problèmes. Je l'ai dit on a un problème d'illettrisme sur le plan de l'école occidentale, un problème d'illettrisme sur l'école de l'école euh, arabe. C'est pas l'ignorance. Euh, non, il y a tous. Vous savez, euh, euh, on, discutait beaucoup de fois sur des sujets comme la propriété. Moi, quelqu'un m'a dit, non, vous savez. Mais c'est recommandé à l'islam aussi. Je vais vous dire, on dit que à la Mecque là, là où les Nigériens partent pour le pèlerinage là, là où se trouve les Nigériens c'est le plus sale. Moi, c'est quelqu'un qui m'a dit, j'ai dit, ah bon, on dit oui, oui. Les, gens crachent partout. On m'a rappelé une anecdote il n'y a pas longtemps encore au Ghana, dans un bus de transport nigérien, où des gens ont, laissé, ont jeté des sachets. Les policiers les ont suivis. Ils ont fait revenir le bus pour que les gens ramassent ce qu'ils ont posés. Vous avez vu Ici, dès qu'on balaye, on balaye une rue, les gens prennent l'eau fraîche, ils jettent. C'est-à-dire que c'est dans notre, dans notre sang, l'indiscipline là. Nous sommes indisciplinés, foncièrement indisciplinés. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il y a du pain sur la planche, je vous assure. Les mesures que le gouvernement va prendre là, pour pouvoir réguler la maladie là. L'inconscience, l'indiscipline des gens va faire que moi je suis pessimiste. Tu n'es pas. Non, je ne suis pas optimiste. Mohamedou Suleiman, comment avez-vous accueilli le message à la nation du président de la République, Issoufou Mahamadou, mardi En tout cas, très responsable, euh, parce que si ce n'était pas le cas, les gens allaient reprocher au régime au gouvernement de n'avoir pas pris de mesures à temps. Mais cette fois-ci, il y a comme qui dirait une sorte d'anticipation, des mesures énergiques en tout cas applaudies par tout le monde parce que simplement elles sont de nature, en tout cas à circonscrire ou de, à prévenir parce que c'est le maître mot, mieux vaut prévenir que guérir. Effectivement, en prenant ces mesures-là, je pense que le gouvernement a conscience que et le président est très convaincant dans son discours parce qu'il a dit cette maladie, il l'a répété, elle n'a pas vaccin, de, vaccin ni donc, euh, traitement. Par conséquent, tout ce que nous pouvons faire, et le plus important, c'est aussi de rappeler, c'est d'abord les puissances du monde qui ont déclaré leur incapacité. Ils ont, décidé avec euh, des stratégies un peu, je dirais, lâches, à savoir le confinement, Vraiment, ils ont mis le monde dans une peur panique parce que simplement, et ceux qui sont censés, en tout cas, donc, trouver le, le, le remède, ne l'ont pas. Et c'est eux qui ont décidé effectivement de bloquer les frontières avec, entre eux et avec le reste du monde. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, il me semble que le président, en tout cas, euh, tant dans le fond que dans la forme, son discours est pertinent. Si on arrive, en tout cas, à respecter ces mesures-là, en tout cas, je pense qu'il hmm. y aura moins de dégâts. Euh, Garé Amadou, lui, reste euh, pessimiste. Oui, je, comprends euh, le pessimisme de Garé parce qu'il y a justement un certain nombre de, de, comportements, qu'il faut. Par exemple, l'hygiène. Aujourd'hui, en matière d'hygiène, il faut le, le, le, reconnaître, ce n'est pas la meilleure qualité des Nigériens. Donc, si effectivement, le, truc, vous voyez, en fait, je me souviens, sous le régime de ce truc-là pour laver les mains. Euh, vous voyez un peu, c'est couramment en tout, cas de, le comportement, les maladies liées tout simplement à, l'hygiène. La saleté. la saleté, c'est absolument. Gary a raison effectivement que on a des attitudes et des comportements qui jurent vraiment avec euh, les bonnes manières, tout simplement pour la santé tout court. Hein. Donc, euh, si effectivement ce truc, euh, cette maladie, on euh, ne le souhaite pas, en tout cas, ça vient chez nous, ça peut se compliquer tout simplement parce qu'on n'a pas de bon comportement, on n'a pas de bon, en tout cas, de bonnes attitudes sur le plan. Donc, euh... Suleiman, comment amener les Nigériens à adopter un comportement rationnel par rapport à, cette maladie Bon, vous savez aussi, l'autre défi, c'est de gagner justement le pari de la sensibilisation. Et je pense que là, c'est en présence des autorités, leaders religieux, les médias, ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, on doit vraiment intensifier euh, la sensibilisation parce que aussi, ce qui est gênant aussi, c'est qu'il y a des fake news. quand on dit aux musulmans, par exemple, il y a un truc dans, une, dans, le Coran qu'il faut, heureusement, certains leaders religieux, très vite, ont démenti cela. Parce que vous voyez, ça c'est la facilité, c'est l'irresponsabilité. Il y a des fake news que les gens sont en train de concocter pour vraiment euh, décourager ou bien en tout cas pour vraiment euh, propager le mensonge, mais je pense que euh, recette donnée en tout cas par les autorités, le ministère de la Santé, je pense qu'il est important, en tout cas jusqu'au niveau du village, qu'on sensibilise les gens, en tout cas, sur ce qu'il faut faire pour vraiment se, se, préserver. Parce que pour le moment, ce n'est pas encore déclaré dans notre, de notre pays. Donc, on a encore euh, euh, la possibilité euh, de sur, le, la prévention avec donc des bonnes pratiques. Le fait de se laver les mains, en tout cas, on, a vu, j'ai vu Kagame, j'ai vu euh, le Macky Sall, le chef d'État donc en train de montrer aux citoyens tout simplement, comme on dit, il faut la, vertu par exemple, que c'est en tout cas euh, parmi les trucs moins coûteux c'est aussi de bonnes manières. En tout cas, chaque fois, il faut se laver les mains. Mais bref, euh, je pense que euh, euh, quand l'inquiétude de Gary, c'est aussi la mise en pratique, par exemple, les réunions. Nous sommes des sociétés de fêtes où les mariages et les baptêmes, je ne suis pas sûr que on peut limiter les, les baptêmes ou les mariages à moins de 50 personnes. Mais peut-être qu'on a dit que la police va veiller à cela. Mais franchement, euh, de ce point de vue-là, on peut être pessimiste justement sur le fait que souvent les gens ont tendance à ignorer justement la réalité et par ricochet, on regrette énormément en tout cas les conséquences. Hussein Sajibo, quels sont les non-dits autour de cette maladie et qui méritent que les gens en parlent Je ne pense pas qu'il y ait de non-dits derrière cette maladie. Je pense que tout a été dit depuis que ça a été déclaré. Euh, Alhaji Mohamed Soleiman vient de le dire, il n'y a pas un seul pays au monde qui n'est pas touché. Et même les grandes nations sont en train de fermer leurs frontières. Les gens sont confinés à domicile. Il n'y a pratiquement pas. Il n'y a pas de remède contre la maladie. Il n'y a pas de vaccin. Moi, je dis, quand euh, même dans les grandes nations, dans les puissances, on n'arrive pas à trouver une solution rapide à cette situation, que Dieu nous en préserve. Parce que chez nous, si ça rentre, ça va être la catastrophe. Il ne faut pas se faire, perdre de vue cette dimension-là. Pourquoi, selon vous Ça va être la catastrophe parce que tout simplement, vous savez, nous avons des habitudes, nous avons des pratiques quotidiennes qui sont là. Actuellement, aujourd'hui, quelqu'un, je sors devant la porte, il m'étend la main, je vais le lui tendre, la lui tendre. Systématiquement, parce que bon, le réflexe n'est pas encore intégré chez eux, en Occident déjà. quand vous vous connaissez vous ne saliez pas. Ici, cette porte-là, c'est pas, comment on appelle, euh, vous dessus. Quelqu'un qui vient, il pousse, il ouvre, il rentre. Quelqu'un d'autre va venir, il va pousser, il va ouvrir et puis rentrer. Est-ce qu'on va passer tout le temps à mettre du gel ou quelque chose comme ça pour désinfecter Il y a plein de choses. Une bouilloire, je me lève, je fais mes ablutions je dépose, quelqu'un d'autre prend, il, il, fait ses ambitions. Mais toutes ces pratiques-là. Oui, mais, comment, comment amener les Nigériens à abandonner ces mauvaises pratiques non, que Dieu nous en préserve tout simplement. Que Dieu nous en préserve. Parce que quand les Occidentaux ne sont pas arrivés à trouver une solution pour ça, on est arrivé jusqu'à un stade de confinement des populations. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ici, quelle sensibilisation on va faire Sensibilisation par rapport à quoi Tu vas empêcher à quelqu'un d'aller acheter ses condiments quand, euh, à une femme, quand elle est en train d'acheter ce condiment, il y a d'autres femmes qui sont, on dit, un mètre de distance. Chez le vendeur, de, le boucher, ou euh, les gens. Tu vas dire aux gens, mettez-vous, on peut mettre un policier derrière chaque Nigérien pour dire, voilà l'attitude que tu dois, tu, tu dois adopter. Voilà les difficultés. J'ai dit, il y a une chose, il faut prier Dieu pour que nous ne soyons pas affectés. Regardez quand c'est arrivé en Afrique, là, regardez comment rapidement ça s'est propagé dans les pays un peu partout. Mm. Sur les 56 États de l'Afrique, il y a au moins 32 aujourd'hui qui sont, euh, qui sont atteints. Ah, euh, effectivement, par rapport à l'Afrique, l'OMS, l'Organisation mondiale euh, pour la santé, appelle les Africains à se réveiller et à se préparer. oui, mais non, non, mais non, d'accord, c'est un appel, c'est juste un appel. Mais par rapport à combien de maladies on a dit aux gens de, se lever, de se réveiller Par rapport à combien de maladies mais si les gens ont changé de comportement du jour au lendemain, là, parce qu'il y a... non, les gens se disent, ils sont dans une espèce de fatalité, de résignation. C'est arrivé, c'est Dieu qui a amené. Le jour où Dieu va prendre ça, il va, il va, il va prendre ça. Ça va emporter qui ça peut emporter. Les autres qui vont rester, ils vont continuer à prospérer. Voilà un peu la situation. Moi, je ne veux pas me mettre à dire non, sensibiliser les populations. Non. Est-ce que les gens, tous les jours, on, fait des ablutions cinq fois dans la, par jour pour aller à la prière C'est laver les mains. tout à l'heure, je sors là. Est-ce que je dois aller laver mes mains avec un savon Vous avez déposé un savon là-bas Ça va être fait. Ça, c'est ça les, réalités. C'est ça. Les histoires de gel et tout et tout. Les gens cherchent à manger on va dire quelqu'un, parce que quand, par exemple, je ne le souhaite pas, les gens, quand on confine, mais tu penses que les gens vont accepter le confinement Parce qu'il y a des gens qui vivent au quotidien. Si tu ne sois pas, tu ne manges pas. Bon alors, tu vas confiner cette personne-là Parlons à présent de la manifestation de la société civile organisée dimanche 15 mars à Niamey. Selon Isaac Hassan Karanta, le gouverneur de la région de Niamey, les personnes interpellées ont été prises en flagrant délit de destruction des biens publics. Au sujet de la répression, l'acteur de la société civile Michael Zoudi, interrogé dimanche assure qu'aucun membre des associations organisatrices de la manifestation n'a reçu l'arrêté d'interdiction du meeting prévu. Hussein Issa que peut-on retenir au sujet euh, de cette manifestation de la société civile dimanche à Niamey J'ai suivi un peu ce que Michael a dit. J'ai suivi aussi la sortie, je crois, du collectif. Je ne sais pas, c'est hier ou avant-hier, c'est hier, je crois. Ils ont fait une sortie pour expliquer les circonstances dans lesquelles ils ont maintenu la marche. Il n'y a pas eu d'interdiction formelle. Normalement, quand il y a une interdiction formelle, on doit notifier ça par écrit aux organisateurs. Ça n'a pas été le cas. Ils ont décidé de faire la manifestation. Et coïncidence troublante de l'autre côté, <laughs> la, rue, comment veut je dire, euh, Tagbati, le marché, il y avait, euh, je ne sais pas, parce que des, jours auparavant déjà, il y avait une opération de déguerpissement des commerçants. Mais comme on le sait tout à l'heure, il y a des commerçants, on les déguerpit aujourd'hui, le lendemain, ils reviennent. Il y a eu des fourrés dans la zone. malheureusement, un incendie s'est éclaté, ça a fait quatre morts. Aux dernières nouvelles, c'est quatre morts qu'il y a eu. Moi, j'ai dit, quelque part, quand ans dit ils ont été pris, il faut se dire qu'on n'est pas éternel dans la vie. Il faut dire les choses telles que ça s'est déroulé. Mais l'avez faire du zèle pour enfoncer des gens, certains ont été pris quand la manifestation a été dispersée ici et au niveau de, la place du Toumont. Les gens sont partis parce qu'ils ont amené leur véhicule avec un euh, machin à haut là. Ils ont dispersé, les gens se sont éparpillés. La coïncidence, il y a eu un machin et puis lui il sort pour dire qu'on les a pris la main dans le sac. Il y a eu des, échauffourées, il y a eu incendie là-bas. Maintenant, il faut trouver des boucs émissaires, prendre des gens qu'on va garder pour dire c'est eux qui sont à l'origine. Mais pourquoi le même jour décider de déguerper des gens On pouvait laisser les gens organiser. Moi, parce que pour moi, j'ai dit, c'est quand même un droit constitutionnel. Le fait d'organiser, quand tu n'es pas d'accord avec une politique, quand tu n'es pas d'accord avec euh, une pratique euh, dans une démocratie, on doit pouvoir te donner la possibilité de manifester. Partout ailleurs dans le monde, ça se passe comme ça. Tu vas devant la Maison Blanche, tu vas trouver tous les jours que Dieu fait des manifestants avec des pancartes et tout et tout. Ici, les gens n'ont pas la même idéologie. Non, mais quelle idéologie C'est quoi l'idéologie Je suis conscient que je ne suis pas là pour détruire, mais je suis là pour exprimer ma colère, pour exprimer mon mécontentement par rapport à des politiques publiques. Je vais faire mon bruit que vais faire, et puis je vais m'en aller. Maintenant, vouloir amener chaque fois qu'il a qu'on amène pour vouloir réprimer. Selon vous, on aurait dû faire l'économie de toutes ces on violences. Pouvait, on aurait, pendant toutes les manifestations, on aurait pu faire l'économie parce que moi j'ai dit, laissez les gens manifester. Quand tu vas marcher, tu vas rentrer chez toi. Non Maintenant, quand il y a des dégâts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de répression et tout, et tout, il y a des dégâts. Là, à ce moment, les, responsables de, de, la manifestation, on les connaît. Ils ont signé, ils ont tous signé à côté de leur nom pour dire, voilà, on peut les chercher. C'est vous qui avez organisé ces... Mais quand vous amenez la force publique pour vouloir réprimer, mais bien évidemment, dans ce genre de manifestation, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui veulent ce genre de situation où il faut casser, où on peut voler. À l'âge Mohamed d'importants dégâts ont été enregistrés, des pertes en vie humaines et plusieurs personnes interpellées, dont des responsables de la société civile. Comment éviter ce genre de misaventure à l'avenir Comment éviter ce genre de misaventure euh, La meilleure façon, c'est d'être responsable. D'être responsable, ça veut dire responsable, euh, vous savez, je suis en train de suivre euh, le dilatoire de certains acteurs. Vous dites qu'il n'y a pas d'arrêté. Entre nous, quand il y a un conseil de ministres qui décide dans un pays. L'interdiction de plus de 1000 ah, ah, personnes. Absolument. Cela n'est-il pas suffisant dans, un, dans une situation où il y a un État C'est-à-dire que le conseil des ministres mais, mais ça s'impose à tous. Qui était là pour compter, voir s'il y a plus de. J'ai dit c'est dilatoire parce que. Plus de 1000 personnes. Ceux ce que c'est que l'État, un conseil des ministres, une décision en conseil des ministres, eh, ça vaut ce que ça vaut. Vous pouvez, effectivement, vous voulez en tout cas faire des arguments ici, mais il n'y a aucun débat par rapport à cela. Eh, nous venons de parler de la, cette question du coronavirus. C'est une réalité ou bien n'est pas une réalité De ce point de vue, le gouvernement est fondé, justement, on se rend compte à l'évidence qu'il est fondé, justement. Mais est-ce que la maladie n'est pas, n'est pas un alibi pour le gouvernement On peut dire ce qu'on veut, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes d'accord que les mesures prises par le gouvernement sont pertinentes, elles sont nécessaires. Maintenant, ce que j'ai dit, la conséquence, les morts qu'il y a eu, les casques qu'il y a eu, c'est parce qu'effectivement, les gens ont voulu braver une interdiction. Mais justement, quand je, dis une conséquence, c'est eux qui ont appelé. Nous savons très bien. La CNDH avait dit qu'ils auraient réuni jusqu'à 2h du matin pour les convaincre à ne pas faire ils pensent que leur euh, action est fondée et ils, vont, ont décidé de le faire et on a vu les conséquences. Donc, dans tous les cas, euh, euh, je pense que tout le monde demande une enquête indépendante. L'enquête va être Par exemple, un, des arguments qui a été donné que ce serait la gaz, gaz lacrymogène qui a fait. Tout le monde sait ça, c'est universel. Les lacrymogènes, c'est avéré, ça ne peut pas faire du feu. Ils de la fumée. Donc maintenant, euh, on nous passe s'engager dans ce débat. Eh, L'enquête doit déterminer. comment amener les uns et les autres à éviter Comment amener genre... qu'il faut être républicain euh, La voie du recours, c'est un comportement citoyen. C'est une récidive. Ces gens ont fait, ils ont fait la même chose en 2018. Aucun État, je veux dire que. Euh, vous savez, ces gens en fait, ils savent ce que c'est que l'État. Et par conséquent, ils croient une certaine on comprend en fait le contexte. Le contexte, c'est que en tout cas, c'est l'occasion aux gens parce que dans cette affaire-là, voilà, il y, a X ou bien Y. Non, c'est que. Euh, il parle aux États-Unis. On sait effectivement ce aux États-Unis, en, France. Mais en Afrique, nous sommes encore dans un processus démocratique. Très peu, en tout cas, des pays africains. Ce qui s'est passé au Burkina, c'était une exception. Et le contexte n'est pas le même que le contexte nigérien dans un pays ou un, régime, à, quelques mois des élections, vouloir faire euh, en tout cas cette chielie, c'est vraiment, mm, euh, en tout cas, c'est l'insurrection, comme disent euh, les autres. Mais absolument, c'est une insurrection, parce que tout simplement, si on, vous bravez l'autorité de, de, de, l'État, quand le gouvernement, il ne faut pas se faire des illusions. Quand un gouvernement dit et ne le fait pas, même si c'est Tangari qui est à la place de Issou, même si c'est nous qui est à la place de Issou, il va mettre la police. Ça, c'est les appareils de l'État. Donc, moi, pour moi, pour vraiment euh, être clair, euh, pour éviter cela, quand on interdit, quand le gouvernement interdit, allez-y, il y a d'autres voies de recours. À Maradi, ils ont fait le référé. Euh, donc, disons que véritablement, on a un problème parce que j'ai vu effectivement, moi, vraiment, je pense que nous, nous, nous l'avons dit en tout cas l'affaire, en tout cas, qui est à, l'origine de, ce, mouvement, la question de, la, de de la Défense, moi, je dis en tant que citoyen nigérien, absolument, le gouvernement doit tout faire, en tout cas, pour qu'il y ait justice. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut accepter l'anarchie, pour qu'on le fasse n'importe comment. Non, il faut le faire vraiment par de voie vraiment normale. Gary Amadou, la Commission nationale des droits humains, euh, la CNDH, priait de vider les lieux. Euh, c'était lundi dans les locaux de la police judiciaire à Niamey, où la CNDH était allée euh, s'enquérir des conditions de détention des personnes arrêtées lors des manifestations du 15 mars. Dans une déclaration rendue publique, la CNDH, la Commission nationale des droits humains, dénonce une entrave dans l'exercice de ses missions et a promis de saisir la justice. Comment expliquer cette attitude de la police à l'égard de la CNDH et son président oui, je crois que la, CNDH elle-même a dit, a dit que le, euh, DG de la police leur a reproché d'avoir amené les médias et ils ont dit que non, les médias sont venus, ils ont fumé les gens de dos, après ils ont quitté. Bon, soit. Euh, mais je crois que le travail de la CNDH est très compliqué. Comme ils l'ont dit, ils ont essayé déjà. D'abord, ils ont été incompris par la société civile déjà. Les gens qui sont en prison là, ils ont essayé de les négocier pour qu'ils ne fassent pas la manifestation Ils ont refusé. Ah, bien avant la manifestation. la ils ont essayé. Bon, eh, j'aimerais revenir quand même sur l'argument assez facile pour dire que non, non, il n'y a pas eu un arrêté du, <laughs> au niveau de, comment on appelle ça là, de la délégation spéciale. Mais non, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'argument d'un irresponsable. Je veux dire, quand le gouvernement fait un communiqué, c'est vrai, on peut dire que non, il y a une erreur au niveau du président du conseil de ville, euh, de, la délégation spéciale. Il devait prendre euh, ce, Un huissier Non, pas un huissier. Pour, pour le notifier euh, à partir la, décision d'interdiction Moi, je suis d'accord. À partir du moment où le gouvernement a fait le communiqué, le président de la délégation spéciale, il prend un arrêté pour interdire la manif. Mais on est dans un état de droit, comme l'a dit Suleiman. Les communiqués du gouvernement tiennent lieu quelque part de loi. Parce que quand le gouvernement dit. Il y a un communiqué dans lequel il dit les attroupements de plus de 1000 personnes, les aéroports sont fermés à partir de, à partir de telle date. Ça, c'était le message à la nation. Mais c'est un message à la nation. il dit. c'est pas un décret. La, manif, a, la, manif a eu lieu euh, bien avant. Attends, je ne parle euh, pas de. Je, te parle de, du parallélisme un peu des, formes. Quand le président fait un message à la nation, ça, les gens là, ils prennent ça à leur compte. C'est un message à la nation. C'est pas que ah, le gouvernement par décret décide que. Les... Non, non. Il a fait un message à la nation, là, les gens ont pris. Mais quand le gouvernement se réunit à l'issue d'un conseil ministre, il fait un communiqué, là on dit Ah non, non, non, il n'y a pas eu un arrêté d'interdiction. Mais l'irresponsabilité. Attends, je vais venir à la, à L'irresponsabilité, c'est quoi ce que, rapidement, rapidement. Ce que moi, un père de famille, je décide que je vais regrouper mes enfants. Le gouvernement fait un communiqué pour dire que non, c'est pas bon de regrouper les enfants. Qu'est-ce que je fais Revenons à la CNDH. Non, attends, s'il te plaît. Il faut faire tel à terre pour que les citoyens puissent comprendre. Je reviens. qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit à mes enfants, ah, le gouvernement a fait un communiqué, donc ce qu'on a prévu de faire demain, là, on fait pas ça. C'est ça la responsabilité. Mais parce que ce que les gens ne savent pas, c'est à partir du communiqué du gouvernement là, qui interdit les attroupements, là, la loi de 2004, là, à son article 8, dit que s'il y a des dégradations, et donc dans le cas d'espèce, il y a des morts d'hommes, l'enquête va déterminer ce qui s'est passé parce qu'il y a des audios. Il y a des audios de commerçants du grand marché qui ont dit que non, c'est les manifestants, avant même que la police ne vienne, qui avaient le feu et de l'essence, et ceux qui ont mis le feu. Il y a des audios que tout le monde les a écoutés. Mais maintenant, moi, je n'accuse personne comme l'a demandé la CNDH, comme l'a demandé l'USN, une enquête indépendante pour déterminer ce qui s'est passé. Maintenant, eh, c'est fâcheux. Moi, je suis pas pour. D'abord, je suis suis pas pour l'interdiction des manifestations. Je l'ai dit sur d'autres plateaux de télévision. Moi, je suis pour qu'on laisse les gens manifester, qu'on a Revenons à la CNDH, euh, Et la CNDH, c'est vrai que ce qui s'est passé était assez déplorable. Vous comprenez Mais on est dans un pays de droit. La CNDH qui connaît ce que c'est les textes dit qu'elle va porter plainte. C'est ça un état de droit. C'est-à-dire qu'à partir du moment. Avant la c'était les leaders de l'opposition qui avaient été euh, interdits d'avoir accès euh, aux locaux de la PJ. Oui, mais <laughs> les leaders de l'opposition qui ont été assez, assez quand même euh, prudents la veille de la manifestation, qui ont fait une déclaration assez, assez, assez ambiguë, où ils n'ont pas appelé les militants à partir manifester, <laughs> parce qu'ils sont à malin, malin et demi. Ils savent ce que c'est les conséquences. Ils se sont lavé les mains Aujourd'hui, on ne peut pas accuser l'opposition d'avoir appelé ses militants. On ne va pas dire qu'on va, appliquer l'article 8 de la loi 2004 aux, leaders de l'opposition parce qu'ils n'ont pas appelé leurs militants. Et donc, maintenant, ceux qui ont fait des interviews la vieille pour dire que non, non, non, malgré le communiqué du gouvernement, on va sortir. Bien, il faut s'assumer. C'est ça la responsabilité. Il faut s'assumer tout ce qui, tout ce qui est passé. Et ce qui m'a choqué, c'est que les leaders de l'opposition, dès qu'ils sont. La première visite qu'ils ont effectuée, ils sont partis au niveau de la, de, la, PJ, de la pour une visite aux acteurs de la société civile. Aucun Aucune visite au niveau des familles des personnes qui sont décédées. Mais ça, c'est dans quel pays nous se trouve-t-on Moi, à leur place, je parle je visite les familles des personnes décédées. Après, je viens voir les acteurs de la société civile. C'est normal. Mais on fait comme si les gens sont morts comme des chiens. Est-ce que c'est normal ça, dans ce pays L'Union africaine propose d'envoyer 3000 soldats au Sahel. C'était au cours d'une rencontre tripartite lundi à Niamey qui a regroupé les représentants de cette organisation de la CDAO et du G5 Sahel. Selon le secrétaire permanent du G5 Sahel, cette rencontre est utile et montre que les pays africains, prennent le défi sécuritaire très au sérieux. Maman Sambo Sidikou est au d'Olivier Les pays africains sont conscients de l'immensité du défi qui se pose à cette région et surtout le danger de le voir se glisser vers les pays côtiers. Et donc le danger qu'il y ait euh, une rencontre entre les terroristes ici et les gens de Boko Haram. Donc c'est vous dire que l'exercice était utile, était attendu et il soulève euh, d'énormes espoirs. Et aussi inclure dans notre démarche les violences intercommunautaires. Le a annoncé l'envoi de 1000 soldats, qui c'est dans le même cadre ou bien ça n'a aucun rapport C'est une initiative euh, louable qui était faite en relation et en concertation avec euh, les pays de la région. C'est une contribution attendue et je pense qu'elle doit intervenir prochainement. Donc c'est déjà si vous voulez, une avance par rapport à, donc, l'effort que nous voulons conduire, montrer une nouvelle fois que les pays du Sahel ne seront pas seuls. Alage Mohamedou Souleymane, votre commentaire après avoir écouté le secrétaire permanent du G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou. Bon, il faut dire que mieux vaut tard que jamais, parce que quand même à un certain moment, nous, en tant que Sahéliens, ça nous fait du mal de voir qu'on cherche le secours ailleurs alors que les Africains sont, euh, même en tout cas, euh, des, organismes comme euh, en tout cas la CDAO ne sont pas euh, n'ont pas vraiment en tout cas fait montre de cette bonne volonté. Vous voulez dire que l'Afrique a les capacités de se bah, prendre en, charge sur la, le plan la question, La question au, niveau de, Sahel, les pays comme le, Niger, le Mali, le, le Burkina, Faso, le, Tchad, ont été très éprouvés. Mais pendant tout ce temps, on n'a pas senti au niveau de l'Union africaine cette volonté. Mais bon, j'ai dit, moi, il vaut tard que jamais. Je 3 000 hommes, mais maintenant, encore, euh, ce qui reste aussi, il y a des modalités, encore, il faut mobiliser l'argent. Tout cela pendant combien de temps Pendant qu'on a besoin, par exemple, euh, on a vu la France, euh, lorsque les Américains, en tout cas, avaient annoncé leur départ, elle étaient inquiétée, ils sont allés négocier les Tchadiens pour avoir les 500 hommes parce que voilà. Mais ces 3000 là, vraiment, si effectivement euh, il y a la bonne volonté, il euh, faut faire vite. En tout cas, on a besoin de, ces hommes. Euh, donc, j'ai dit, on salue véritablement cette bonne volonté qui, est venue, effectivement, parce que, je, dis encore une fois, nos problèmes africains, en tout cas, c'est d'abord nous les Africains, en tout cas, qui sommes vraiment censés euh, de réfléchir en tout cas pour que euh, la main dans la main qu'on puisse les, les, On a vu ce que ça fait, la polémique que ça fait, les bases militaires. Tout le monde euh, crie il faut faire partie des bases militaires. Mais si au moins c'était peut-être des Africains qui sont ici, on n'allait pas créer base militaire. Donc, bref, je pense que c'est une très bonne chose. On pense que ça va renforcer vraiment ce qu'on a comme acquis pour le moment. Gary Amadou, cette réunion de Niamey intervient quelques jours seulement après cette éclatante victoire des forces armées nigériennes contre les terroristes de Boko Haram à Toumour, dans la région de Difa. Est-ce une heureuse coïncidence non, il faut dire que ces, derniers, ces dernières semaines, quand même, nos armées sont vraiment, ont en tout cas le dessus sur les terroristes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'initiative sur le terrain, ce sont nos forces qui les ont. Les, forces terroristes, aussi bien que ça soit dans le nord que qu'au niveau de la région de Difa, sont en train de subir des défaites euh, vraiment. Euh, même l'attaque de, l'attaque de, de, comment on appelle ça, là, qui a été contre le camp de Chetima Angola en réalité, les enseignants ont été neutralisés après. Parce que, bon, ils se sont laissés aller à des facilités, faire des vidéos dans la brousse. Bon, on les a trouvés, l'armée les a trouvés, les a tous ratatinés, pratiquement. Aujourd'hui, les terroristes sont dans une situation assez délicate. Mais c'est des gens qui s'adaptent facilement à des situations. Donc, c'est pourquoi l'arrivée de ces forces de, africaines de 3000 hommes, l'arrivée de cette force de 3000 hommes est une très bonne chose. Et surtout, comme l'a dit Suleiman, si on peut substituer les forces occidentales aux forces africaines, ce serait vraiment la meilleure des choses. Selon vous, il n'est jamais trop tard hein? Non, il n'est jamais trop tard l'effectif de 3 000 hommes n'est qu'un début. Pour moi, il faut aller jusqu'à l'effectif peut-être de 10 000 hommes pour pouvoir vraiment être sûr de pouvoir cradiller cette zone du Sahel qui est assez, assez, assez grande quand même. Je pense que euh, cette dynamique africaine est, est quand même susceptible de porter beaucoup de résultats. Vous êtes optimiste Oui, je suis optimiste parce que cet engagement de l'Union africaine, n'est-ce pas, plus l'engagement de la CDAO elle-même, qui a déjà débloqué une certaine somme pour lutter contre le terrorisme, fait en sorte que quand même, euh, euh, en tout cas, les, opérations qui vont être menées sous euh, l'égide du continent africain vont permettre quand même, pas d'éradiquer le terrorisme complètement, en tout cas de l'affaiblir de façon assez substantielle. Au même moment, Gare Amadou, au Mali, des otages ont été libérés par leurs ravisseurs. Est-ce un bon signe qu'il faut saluer non, il faut saluer la libération, même si j'ai vu les Occidentaux vouloir euh, parler d'évasion. Non, d'évasion déjà, ça c'est, on est en plein cinéma, on dit que non, les deux personnes se sont évadées, je ne sais pas comment. Mais c'est D'autres aussi parlent de, paiement de rançon. D'autres parlent de paiement de rançon. Mais il faut dire une chose, aujourd'hui, les terroristes sont dans une situation difficile. J'en donne l'exemple sur le fait que, par exemple, il y a Dagali qui quand le Diokonda Traoré était parmi les, les, les gens qui ont pris l'initiative de partir pour prendre langue avec les terroristes, avait décidé qu'il fallait négocier avec les terroristes. Les gens les ont critiqués. Yadagali a posé les conditions. Il dit que pour pouvoir négocier, il faut qu'on impose la charia au Mali. Aujourd'hui, il a dit non, non. Il n'y a plus d'exigence de charia. Tout ce qu'il veut, c'est le départ des troupes étrangères. Et ce n'est pas pour rien. D'abord, la plupart de ces lieutenants ont été liquidés par Barkhane. N'est-ce pas La plupart de ces lieutenants ont été liquidés lui-même, il est traqué, il sait que ses, jours sont comptés. Donc, il essaie, euh, euh, il, n'a pas d'autre moyen que de chercher à ce que le truc soit négocié ou que ce soit, en tout cas, un règlement pacifique de la chose. Hussein pour un retour rapide euh, de la stabilité, l'Union africaine compte envoyer 3000 soldats au Sahel. Quelles sont les attentes des populations de ces pays concernés par l'insécurité ici au Sahel Bon, moi, ça me pose sérieusement un problème ça me pose problème. Je pense qu'on est tous des pays souverains. La souveraineté implique quoi Que tu as une armée capable de te défendre. Ces gens qu'on appelle euh, terroristes et tout et tout, mais ils, sont terrés où je, pose la question. que c'est le forestier qui va venir nous aider dans la savane à chercher, à traquer des gens. Là où les Blancs n'ont pas été en mesure d'éradiquer. Moi, j'ai dit tout ça, c'est du cinéma. Que chaque pays prenne ses responsabilités. D'autres, son armée, se font en se donnant des moyens. En se donnant les moyens nécessaires pour pouvoir faire face efficacement. Comment on peut me dire que dans un pays où des gens traversent la frontière avec une vingtaine de véhicules lourdement armés, personne ne les a vus. Ils viennent, ils attaquent un camp, ils font des dégâts. Il retourne un moment, on fait course-poursuite. S'il te plaît. C'est une démission de la part de nos États. C'est une démission, moi j'ai dit, pour ça là, c'est du cinéma. Toute cette histoire, force barkane, si chacun s'y met, le Mali quand même, c'est un État. On dit, il sort du Mali, du Nord Mali. Mais on ne peut pas faire un ratissage pour voir village par village aux besoins, grotte par grotte aux besoins. Ils sont enterrés où non, non, il faut arrêter, il faut arrêter. C'est du cinéma, ça n'a que trop duré. Il y a eu trop de morts. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités, nos chefs d'État prennent leurs responsabilités. Donner les moyens nécessaires, y compris aux besoins d'acheter des avions de chasse. Tu viens attaquer, tu ne peux pas t'échapper. C'est ça le plus important. Mais 3 000 hommes, 3 000 hommes, ils vont venir ça va être la même chose. C'est juste bon, l'argent est là parce que euh, la logistique, il faut beaucoup d'argent. Euh, Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Ça dure combien d'années aujourd'hui Ça dure combien d'années La force euh, barkane est arrivée. les Américains sont arrivés. Les, comment on appelle ça Et comment, les, les, les Italiens, les Allemands. S'il vous plaît. C'est quoi Ils occupent quel espace Même au Mali. On dit qu'ils sont dans le nord. Mais le nord Mali, on connaît exactement. On sait Kidal, c'est un peu le foyer, machin, ils sont là-bas. Mais, pourquoi les gens vont Il y a un problème, il y a un sérieux problème. Moi, j'ai dit, j'ai comme l'impression que ça arrange, que ça perdure, cette situation-là. Sinon, au Nigeria, beaucoup Haram, on dit, bon, il se ont une capacité de résilience et autres. Mais comment les gens sont là pendant des années, les gens sont en train de tuer nos États sont incapables. Il faut tout le temps trouver des mécanismes pour pouvoir mener la lutte. Alaji Mohamed Suleiman, rapidement, nos États ont-ils euh, les moyens pour faire face aux terroristes Non, franchement, il faut reconnaître que quand même, euh, ces dernières semaines, euh, la tendance est en train d'être inversée parce que simplement d'autres moyens, en tout cas stratégiques et aussi des moyens aériens, il y a une coalition en tout cas qui est en train vraiment de gagner des résultats euh, il faut tout simplement ne pas suivre l'actualité pour l'ignorer. Donc je pense qu'un appui de ce genre annoncé de 3000 hommes, s'il venait justement, ça pourrait vraiment appuyer pour qu'on puisse vraiment en finir avec cette situation. Et je pense, comme il l'a dit, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ils ont changé de, de, de, tactique. Ils vont à l'offensive. Aujourd'hui, c'est eux qui vont ah, pour les chercher. Alors, c'est ça, c'est ça qui avait manqué. C'est ça qui est en train d'être fait et effectivement, on est en train d'avoir des résultats. Là, je suis d'accord avec toi. C'est en train d'être fait et je pense qu'il faut souhaiter vraiment que, euh, en tout cas, qu'on puisse plus connaître les devoirs qu'on a connus par le passé nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Gare Amadou du quotidien La Nation, Hussein Issa Jibo, journaliste freelance, et El Haj Mohamed Suleiman de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme Jeune du studio Kalangou sur les radios partenaires. Il sera suivi du forum Hausa et Anzarma. Merci aussi à la technique assurée par euh, Seni Saka, côté son et côté vidéo, Mustapha Ayuba. Merci, au revoir.